Vous, vous rappelez certainement de Omar Breakboy, au B-Boy. Il était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Bisserie. Nous avions parlé du parcours en question du combattant. Aujourd'hui, nous allons parler de ses performances de ses prestations artistiques, de ses clips vidéo disponibles, de sa page YouTube, Facebook, tout ce qui va avec. Là, le Mr. B-Boy. Omar Brickboy Dondi la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette rubrique consacrée à l'art, et Cette rubrique consacrée à toi et tes parents. Tu vas bien ça Tout s'est bien passé hier, on était ah ensemble. ça s'est bien passé. Hein. Omar Biboy. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de comment est-ce que tu as évolué. On va parler de tes prestations artistiques scéniques. On va commencer d'abord par quand est-ce que tu as commencé la scène véritablement Une scène, comme on dit, quoi. Vraie, vraie scène. Vraie, vraie scène c'est un peu compliqué. Oui, parce que c'était en 2008. En 2008, oui. Ouais, mais, la scène que tu as fait avec ton groupe Scarface, c'était Scarface. C'est en, 2008, Dans la même année, avec le groupe Scarface. Avec le groupe Scarface. Exact. C'était où c'était fait Non, non, c'était au collège Mariama. collège Mariama. Avec les élèves. Avec les élèves du collège Mariama. C'était bien la scène que tu as fait. Oh, oui c'était bien, j'ai bien assuré parce que euh, j'ai des belles mouvements aussi. Hein. Du collège Mariama mhm. à Nice de Nice à Montpellier. Ah. Alors, on va parler donc de ces pays, les pays bien évidemment que tu as visités. Commençons par le commencement. Donc, euh, du collège Mariama. C'était euh, en France. En 2013. France. 2013. après, c'est là euh, que tout a commencé, le C'était le mon premier voyage en 2013. En 2013 à Nice. À Nice, exactement. Ok, super. Alors, Omar Bibo, mhm. c'était à quelle occasion C'était en 2013 En 2013, au jeu de la francophonie. Ah, tu as représenté le Niger au jeu de la francophonie Avec ton groupe, c'est ça Avec mon groupe euh, Lille Ça, c'était pas avec Starfest. Donc, c'était avec Lille, Lille oui. Parce qu'il faut dire que aussi tu as évolué avec Lil Sen. Avec oui. Alors, de là-bas, euh, est-ce qu'on peut aussi avoir un certain nombre euh, de pays visités par l'artiste euh, et de quelques prestations de temps Parce que le deuxième Exactement. c'est ça, En fait, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait à peu près 7 pays et il y a certains pays où, j'ai fait plusieurs fois. Mhm. Et il y a la France déjà. Mhm. Après, il y a le Bénin, Togo, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire. Nickel <laughs> tu as fait pratiquement le tour donc du monde. Alors moi, ce que je voudrais comprendre sur cette émission, Omar, B-Boy, quand on dit B-Boy, je n'arrive pas à comprendre un certain nombre de choses. Et certainement aussi, beaucoup de jeunes se posent cette question. B-Boy, qu'est-ce que ça veut dire B-Boy B-Boy, déjà, c'est C'est break boys. Déjà, ah, ok, c'est... Voilà, c'est le B qui est venu comme ça. Ok Et si c'est une fille, c'est Bigger. Donc Break Girl, Break Boys. Ok C'est le nom combiné avec ton nom personnel. Et ça, on dit euh, en breakness Donc d'où Omar B-Boy. Yes. Cette compétition de danse B-Boy, elle est quoi Elle est africaine Explique-moi un peu comment ça marche. Parce que je vois à chaque fois, je suis le b-boy qui a été sélectionné, qui doit le représenter le Niger. Explique-moi comment ça marche. Et la danse, ça existait déjà. Ok en Afrique, uh mais c'est pas développé. Mais la danse breakdance en tant que telle, ça a commencé à New York dans les années 90 et 70 plutôt. Ok. D'accord. Uh-huh. Et après cela, ça a évolué en, en Japon. Et après, c'est revenu encore en France, en Europe. Et après, nous en, Afrique, euh, je ne sais pas c'est quelle année c'est venu ici, uh-huh. mais quand même, euh, c'est venu ici. Les gens le connaissent. Super. Ta dernière prestation ou ton dernier souvenir de la danse, si je ne me trompe pas, c'était à Montpellier, à l'ex-Europe. Alors à Montpellier, qu'est-ce qui s'est passé C'est une compétition entre artistes et... Qu'est-ce qui t'amène là Qu'est-ce qui là-bas Oui, c'est une compétition déjà 1 contre 1. 1 contre 1. C'est quoi un contre 1 1 contre 1. Oh, ok, 1 contre 1, comment on l'entend Comment on l'entend Ok, vous, étiez, vous étiez 16 donc Voilà, on était 16. Parce que tu étais passé en 8 position, Exactement. alors si c'est 1 contre 1, ça fait déjà 16. Exactement. Donc on était euh, entre nous les pays africains. Ok. On a été invités. Ok. Et en même temps échanger avec les acteurs culturels en France. Ok. Et pour avoir beaucoup de relations et voir aussi comment ça marche pour Afrique et voir aussi comment ça marche aussi là-bas. Ah, c'est ça qui t'a amené à Montpellier Exactement, c'est ça qui Dans le cadre donc du sommet Afrique-France Exactement. Et donc pour que vous voyez entre danseurs. Entre euh, danseurs, ou... exactement. Ah parce, que ici, le sommet, c'est aussi ça, oui. Ici en Afrique, il n'y a pas de compétition où beaucoup de pays africains se réunissent Ok. grâce à la danse. Ah ouais. Comme ça se fait. Il y a des compétitions internationales partout au monde, que ce soit en France, aux États-Unis, partout, ça peut se faire. Nous sommes de cœur avec toi et nous te soutenons, Mister, Mr. Yes. Merci beaucoup. J'ai vu tes performances, j'ai vu ta prestation, je sais comment est-ce que tu assures. Mm. Ça m'a poussé vraiment à m'intéresser aussi à la danse. Bientôt, dont dit B-Boy. J'aimerais aussi préciser quelque chose. Oui. Euh, moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est de faire évoluer la danse au Niger. D'accord C'est ça qui m'a amené à être organisateur. de mhm. deux activités au Centre culturel franco-nigérien, CCFN. Ok. Donc j'organise ces activités-là pour amener la jeunesse aussi à travailler leur part de danse parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes me demandent comment je fais pour euh, apprendre la danse à la nouvelle génération. Mhm. Et j'ai commencé ça. Et après, j'ai compris que ça ne marche pas comme ça ici. La meilleure façon de, de faire évoluer la danse au Niger, c'est de créer des activités. Amener des danseurs à l'international, les danseurs que j'ai eu à rencontrer parmi mes voyages, mhm. et de les amener ici pour faire des compétitions ou bien pour faire des ateliers de formation. Donc ces, ces activités, je les organise au CTFN et franchement, ça, ça avance bien et ça fait évoluer la danse au Niger. Il s'est donc exprimé avant que mina expérimente. donc euh, hein, abandonne banda no ame irto ba filo ine chabuyan dato sukutuka de aban omar bibo yola. yes. an émission o banandi oh. émission o manto baniyan zanga misali ga banantano asintinda ay mo ay go banda wo kamé aban donc du oh. coup les humains qui ont assuré la réalisation de cette émission omar bibo mm -hmm. c'était le danseur et moi on dit la machine on prend congé de vous